Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui est mis en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, l'occupation anarchique de la voie publique constitue un véritable frein pour la mobilité à Thiès. C'est le cas du marché central où les vendeurs occupent illégalement l'espace réservé aux piétons pour mener leurs activités. Yes a habité mercredi une rencontre axée sur la mise en œuvre du projet de mise en échelle des écoles sensibles au genre et le succès des jeunes filles. Et puis la maison de l'étudiant Bouroua à Bambé a été réceptionnée, euh, a été réceptionnée par le maire de la commune de Mbour, Issassal, une villa de 17 chambres avec des matelas ont été mises à la disposition des étudiants ressortissants du département de Bourg. Les détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, comme je vous le disais en titre, l'occupation anarchique de la voie publique constitue un véritable frein euh, pour la mobilité urbaine. C'est le cas au marché central où les vendeurs occupent illégalement l'espace réservé aux piétons pour mener leurs activités. Conscientes de cet acte qui entrave l'activité des citoyens, les autorités ont procédé hier jeudi au décrépissement des lieux. Cette vendeuse de poissons se dit choquée par cette mesure qui les a pris au dépourvu. La voici au micro de nos reporters stagiaires. Rokhaya Diallo et Cheikh Diène. situation marché bi métti rek. La situation du marché est très difficile actuellement comme d'habitude. Nous les femmes soises, on ne peut pas travailler correctement depuis des années, surtout nous les vendeuses de poissons. Alors que nous sommes des citoyens soises, on paye des taxes. Si on donnait d'autres lieux de travail, ça ne serait pas aussi grave on paye la scolarité de nos enfants et tout. On nous renvoie chaque jour, matin, midi, soir, même si tu es enceinte ou handicap. Se lance un message solennel au président de la République pour qu'il nous revienne en nous les femmes tiessoises. Les policiers nous torturent, on ne peut plus travailler correctement, alors qu'on prend des prêts à la banque pour acheter les poissons et on paye chaque jour plus de 200 000 francs. Ils se sont levés un bon jour pour nous renvoyer sans aucun délai. Vraiment, les autorités tiessoises doivent nous aider. Restons au marché central de Thiès où le sous-préfet de la commune de Thiès-Nord, présent sur les lieux lors de cette opération de décrépissement a fait savoir que le trottoir est réservé aux passagers et non pour des activités de commerce. Abdoulsi est toujours au micro de nos reporters et stagiaires Rokhaya Diallo et Cheikh Oui, en fait, euh, nous sommes dans une euh, opération de désencombrement depuis euh, hier et ça va continuer jusqu'à la fin de la semaine. Euh, bien entendu avec, en rapport avec euh, la collectivité territoriale, euh, avec la sécurité, mais également avec les agents du cadre de vie. Alors comme nous le constatons tous, le marché était dans une situation indescriptible. Alors cela est dû évidemment aux commerçants qui ont fini de s'installer justement au niveau des, des de l'HEC, mais également au niveau des trottoirs. Donc euh, il était question pour nous euh, de venir euh, organiser tout ça et reprendre évidemment les choses en main. voilà un peu l'objectif de cette opération. Bon, en fait, <laughs> ils vont revenir, c'est... on ne saurait le dire. en ce qui nous concerne, nous, en tout cas, nous menons cette opération-là, comme je l'ai dit, pour libérer justement la voie publique libérer la voie publique parce que la voie publique, nous concevons que c'est pour les véhicules, la circulation des véhicules. la chaussée. Il y a également les trottoirs, les piétons, les, ceux qui viennent, en tout cas au niveau du marché, ont besoin d'endroits pour marcher, pour circuler. Nous, avons, nous allons évidemment, après cette opération, développer ou mettre en place une stratégie, n'est-ce pas, de suivi et nous pensons, euh, dans ce cadre-là, le suivi n'incombe pas seulement à l'autorité, mais le suivi devra être global, y compris eux-mêmes les commerçants. Et à présent, parlons éducation. Dans cette édition, Thiès a abrité mercredi une rencontre axée sur la mise en œuvre euh, du projet de mise en échelle des écoles sensibles au genre et le succès des jeunes filles une initiative de l'ONG FAWE Sénégal traduisée par Forum des éducatrices africaines en partenariat avec l'inspection d'académie de Thiès. Objectif visé, sensibiliser les jeunes filles sur la maintenance des blocs d'hygiène en milieu scolaire, selon Sorna Khadi et pour secrétaire général de l'IA, que je vous propose de suivre au micro de Chefal. Euh, c'est une rencontre qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de mise à l'échelle des écoles sensibles euh, aux au genre pour l'équité et le succès des filles, mise en œuvre par FAWE euh, Sénégal en collaboration avec l'inspection d'académie de Thiès. Mais je signale aussi que l'inspection d'académie de pékin Guédioué est également bénéficiaire de ce projet. Et il y a eu des formations qui ont été déroulées au profit des enseignants, des chefs d'établissement, mais aussi des élèves. Et à la suite de ces formations, il y a eu des plans d'action élaborés. Ces plans d'action ont fait l'objet d'une autre rencontre de validation, mais également de, revue déjà, euh, et de validation des plans, mais avec euh, à la clé l'identification de besoins, de besoins urgents euh, en termes d'équipement pour l'hygiène à l'école, mais également en termes de renforcement de capacité des élèves sur l'identification des parcours professionnels, mais aussi sur la santé à l'école. Et c'est pour cette raison que ce matin, euh, d'abord le samedi 6, nous avons procédé à la remise euh, de matériel euh, destiné aux cinq établissements enrôlés dans le cadre du projet et avec l'appui de le soutien de Huawei Sénégal qui a mis à disposition tout le matériel. nous avons procédé à la remise, mais aussi on en a fait un moment de partage en mettant à contribution la brigade d'hygiène de qui a sensibilisé les élèves, euh, le personnel des écoles enrôlées, mais également les techniciens de surface sur la nécessité d'entretenir et d'assurer la maintenance des blocs d'hygiène dans les écoles. Parce qu'une chose est de mettre à disposition du matériel, une autre chose est de savoir l'utiliser, mais aussi de l'entretenir pour que le partenaire et nous-mêmes, qui sommes de l'IA, si nous passons dans ces établissements, que nous trouvions que euh, les blocs d'hygiène sont bien entretenus et que le matériel est utilisé à bon escient. Euh, le 6, c'était cette activité. Aujourd'hui, nous sommes là à la Croix-Rouge avec les cinq écoles. Nous avons des ressources que nous voulons partager avec les élèves. A rappeler que cette rencontre a eu pour cadre la Croix-Rouge de Thiès et a vu la présence des acteurs de l'éducation et des jeunes filles évoluant en milieu scolaire. À l'issue de cette rencontre d'échange et de partage, la secrétaire exécutive du FAWE Sénégal, Ndeyoumou Khairissal Diop, a exprimé sa satisfaction vu la participation massive des élèves, c'est-à-dire des jeunes filles bien sûr, à cette rencontre. Ses propos sont toujours recueillis par Chefal. je voudrais d'abord exprimer la satisfaction du FAWE Sénégal de cette collaboration entre l'ONG et l'inspection d'académie euh, de Thiès une collaboration qui a débuté il y a cela deux ans, mais qui a produit de très bons résultats grâce à l'engagement, à la diligence, à la disponibilité de l'IA et de notre point focal et du secrétaire général. Vraiment, je vais commencer par les remercier pour toutes les bonnes actions qu'ils ont eu à faire avec nous. Aujourd'hui, nous sommes, dans le cadre, nous sommes là dans le cadre du projet de mise à l'échelle des écoles sensibles aux gens pour l'équité et le succès des filles un projet axé sur les filles, dont une partie est consacrée à la recherche, une autre partie au renforcement des capacités des acteurs du système éducatif, en l'occurrence les élèves, les professeurs, les chefs d'établissement. Et donc, euh, nous en sommes à la dernière activité qui, qui a consisté à répondre à un souci, à un besoin des établissements cibles euh, euh, en, dotation de matériel de produits d'hygiène et de produits pharmaceutiques. Et dans ce sens, l'IA, en collaboration avec le FOI, a innové parce que nous avons profité de la séance de dons pour inviter le service d'hygiène, l'IA du euh, pour inviter le service d'hygiène pour une démonstration. Et, et cette démonstration a permis aux acteurs de mieux comprendre comment entretenir les toilettes. Aujourd'hui, donc, c'est la suite logique euh, d'une activité individuelle par établissement. Nous en sommes à une activité commune où les cinq établissements sont réunis. Comme la SGL a dit, c'est une sorte de foire où les élèves vont rencontrer l'IA, l'IF, l'IME, le CAOSP pour partager avec eux, leur poser des questions, acquérir de nouvelles, de nouvelles connaissances qui leur permettront d'évaluer, d'évoluer correctement à l'école, d'améliorer leur performance. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui est mise en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès et cap maintenant dans le département d'Ombourg sous forme de brève illustrée le réseau des acteurs de la décentralisation du développement local RADEL soucieux euh, du développement euh, du développement local a convié à la Sommone les élus à participer à des échanges fructueux avec des partenaires prêts à investir dans des projets capables de dynamiser les terroirs respectifs. Ce rassemblement a pour objectif, avait pour objectif de favoriser la mise en place de stratégies novatrices et d'encourager des initiatives porteuses de développement. Le président Radel, le maire de Malikunda, Maguette Sen, en tant que maire de cette commune, a souligné l'importance de cette initiative et a encouragé la collaboration entre les élus locaux et les investisseurs potentiels. Il a aussi insisté sur la nécessité de, saisir les opportunités offertes par le pays pour stimuler la croissance économique au niveau local. Toujours dans le département de la maison de l'étudiant mbourois à Bambay a été réceptionnée euh, par le maire de la commune de Mbour, Cheikh Issa Une villa de 17 chambres avec des matelas ont été mises à la disposition des étudiants, des étudiants ressortissants de Mbour qui étudient à l'université Aline Diop de Bambay. Cette concession sera érigée en bâtiment R3 pour résoudre le problème de logement des étudiants bourrois d'après le maire de la commune de Mbourg. Ce dernier a assuré que ce programme visant à lutter contre le problème de logement sera élargi aux autres universités du Sénégal. Ainsi, le directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations CDS, e, CDC. Par ailleurs, maire de la maire de a également remis une enveloppe d'un million de francs CFA à l'amicale des étudiants de Bambay ressortissant de en guise de soutien. Les étudiants de la Petite Côte ont magnifié cet tapis et le soutien du président du mouvement AMDEM. à présent focus sur l'actualité nationale de ce vendredi présidentiel 2024. Tcherno Sissé a été condamné à six, mois de, prison ferme pour fraude sur les parrainages, nous dit Mambiram Sissé Gaye. L'actualité nationale, Tierno Sissé envisagerait de devenir président de la République, mais il risque de passer le scrutin du 25 février 2024 à prison. En effet, arrêté la semaine dernière dans les locaux du Conseil constitutionnel pour avoir présenté une fausse liste de députés, le candidat de la coalition majeure 2024 a été condamné à six mois de prison ferme et à une amende de 100 000 francs à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Le prévenu a pourtant plaider plaidé non coupable, j'ai un compte et un chéquier, j'ai émis un chèque comme caution, mais je n'ai pas clôturé ce compte, s'est-il défendu suite à une interpellation du président de séance. Parlons autre chose, l'office du baccalauréat a un nouveau directeur, cher Bamba Bambagay, va remplacer le professeur Sosignay à ce poste, une nomination survenue lors du dernier conseil des ministres. En effet, cher armado Bambagay est enseignant-chercheur à l'université cher Diop de Dakar UCAD. Depuis 2010, il obtient son doctorat en système informatique en 2006 à l'université Pierre et Marie Sorbonne University. Actuellement, Monsieur Gay est professeur titulaire des universités, le responsable de la section informatique de l'UCAD et le président de l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique, Assis. Terminons avec la 50 édition des Assises de l'Union internationale de la presse francophone UPF après fin à Dakar au Sénégal après trois jours de rencontres fructueuses. Près d'une centaine de délégués des médias francophones incluant des représentants du Maroc ont participé à cet événement d'importance majeure. Le premier ministre sénégalais Amadouba a présidé la cérémonie de clôture aux côtés du président de l'UPF, Madjambal Diagne. L'édition de cette année a mis en lumière le thème crucial médias, paix et sécurité. C'était tout pour cette actualité nationale. Et sur l'international, au Yémen, Washington et Londres ont bombardé les positions outils tout en appelant à la désescalade dans la région. Mais tout d'abord, démarrons ce tour d'origine hors de chez nous au pays des hommes intègres avec Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale au Burkina Faso. Le président de la transition renforce les volontaires pour la défense de la patrie. Ces civils supplétifs de l'armée engagés dans la lutte contre le terrorisme, leurs primes et indemnités ont été relevées. C'était une promesse faite par le capitaine Ibrahim Traoré, président burkinabé de la transition, lors de ses vœux à la nation. Principale mesure annoncée, la prime mensuelle des VDP qui passe de 60 000 francs CFA à 80 000 francs CFA dès ce mois de janvier. Des recherches sont toujours en cours jeudi dans la région de Hinder à 470 km au nord de Magadiscio pour localiser les passagers dans l'hélicoptère de l'ONU contraint d'atterrir à la suite d'un problème technique dans une zone contrôlée par les Shebab. Selon un mémo interne de l'ONU, six d'entre eux ont potentiellement été pris en otage par le groupe islamique un passager a été tué et deux autres ont réussi à fuir. Un pas de plus vers l'escalade régionale du conflit à Gaza, les États-Unis et les Royaumes-Unis ont mené dans la nuit de jeudi 11 à vendredi 12 janvier des frappes aériennes contre les rebelles outils au Yémen qui multiplient depuis des semaines les attaques contre le trafic maritime en mer Rouge en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, territoire ravagé par la guerre entre Israël et le Hamas. Dans une déclaration commune, Washington, Londres et huit de leurs alliés, parmi lesquels l'Australie, le Canada et Bahreïn, ont souligné que l'opération menée dans un contexte de forte tension régionale visée à la désescalade. Londres et huit de leurs alliés, parmi lesquels l'Australie, le Canada, le Bahreïn, ont souligné que l'opération menée dans un contexte de forte tensions régionales visées à la désescalade et à restaurer la stabilité en mer Rouge. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. cette édition par une note sportive qui porte ce vendredi la signature de Isaac Dapa accompagné par l'écurie de face et notamment le deuxième tigre de face, Mustafa Gueye, mais aussi euh, Gris La Grosse a déclaré être dans de bonnes conditions euh, pour décrocher la victoire dimanche face à son adversaire fils de balle. Je sors d'une défaite lors de mon dernier combat et je me suis fait violence pour revenir au top. Je prie Dieu euh, de m'accorder la victoire dimanche soir il n'y a pas lieu de parler davantage puisqu'il ne reste que quelques jours avant le combat. Tout ce que je demande à mon adversaire est de faire ce qu'il a dit, d'attaquer car étant plus jeune. Regreg a décidé de renouer avec One Championship. Cette nouvelle est arrivée peu de temps après l'annonce de la fin de son contrat avec la Ligue. La sensation de la lutte sénégalaise qui a remporté son dernier titre Wizon en août dernier lors du One Fight Night, team devrait bientôt revenir dans la cage. Le combattant sénégalais a battu la légende brésilienne du Jiu-Jitsu Marcus Bouchecha Almeida. Mettons ainsi fait à la séquence d'investibilité du Brésilien dont les arts martiaux mixtes et remportant la plus grande victoire de sa carrière. Et pour terminer, comme relevé antérieurement, El Malik Djouf a rejoint le Slavia Prague en provenance de Tromsø, île de Norvège. Le transfert annoncé euh, depuis la semaine dernière a été officialisé euh, par le club tchèque à travers son site officiel. Jeune défenseur prometteur, euh, Malik Djouf sera lié au Slavia jusqu'en 2028, a révélé le communiqué du club. C'était tout pour cette page sportive. Merci donc à vous Isaac Dapa pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce vendredi 12 euh, janvier 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui est mis en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5. Juste après, retrouvez Isaac Dapa pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.